cant ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci structure de santé yi nekk cees muy hôpital yi muy centre de santé yi ak yeneen ak yeneen ndax ñoom suñu ci deful woon it seen loxo njàng mi du gaaw a yemb université Thiès nag day université boo xam ni tey dañu ko ràññee ci réew mi te mu ngi gën a yaatu ndax tabax yaa ngi na léegi fu nekk amatul léegi fooy dem ci université bi te gisoo tabax yu bees mbaa tabax yu àgg loolu yëpp nag ci doxalin ak xalaat ak décision du président de la république son excellence M. Macky Sall. Euh, monsieur le ministre euh, faculté médecine euh, délocaliser supérieur avec des résultats que vous que loolu avec des résultats yi que nañu que nous avons vous Nous Sénégal vous avons Cheikh Anta Diop 1990 la taxawal nous Gaston Berger boundar boobu déjà wane woon nañu ci ñi mu génnee que jàngale fu dul Dakar mun na am solo trop cees tamit mooy njalbeenu université bi nga xam ne moo jëkk taxawal daara bi nga xam ne dañ cey jàngale paj tey wone na ni jàngale paj mun nañu ko tamit yóbbu ci région yu Sénégal ndax kat lim naa sànq ñaata professeur titulaire yu bees la ñu fii ci Thiès ñaata maître de conférence agrégé la ñu formé ci Thiès ñaata xale ñoo at admis ci internat des hôpitaux loolu yëpp dafa wane ni rek suñu réew day màgg te suñ màgg xam-xam bi dafa war a fekki askan bi ndax ci la koy mun a jëriñoo looloo indi une UFR santé bu Thiès taxaw ñu teg ci UFR santé bu Ndar ñu teg ci UFR santé bu université Assane Seck bu Ziguinchor. te tamit université Amadou Mahtar Mbow nga xam ni tabax bi tàmbali na moom it dana am benn pôle santé bu am maanaa te yemu ci sax ndax am na tey ay université privée yoo xam ni am nañu UFR santé mbaa faculté de médecine jàng mi day gën a yaatu ndax askan bi da ko soxla ndax it sénégalais dafa bëgg ni moroomam yi nekk bitim réew nekkee

ñi am métier boobu ñu am ci réew mi ndax su ñu amee ci réew mi rek képp ku leen bugg jëfandikoo di mun ñëw sànc li nga xam ni moom nga leen di jëfandikoo réew mi doyalagul médecin réew mi amul saa spécialiste yu doy moo tax war nañu former sax lu ëpp lii loolu tax may ñaax sànq euh, université yi di ñaax sànq daara yi yore affaire yu jàngale faj ak wér gu yaram nañu seet nan lañuy ñuy soppee jumtuwaayu jàngale bi ngir ñu mun a jël xale lu ëpp li ñuy jël léegi ndax loolooy gën a tax suñu réew soo nee médecin bi dootul nekk ay fukki ju nekk lu ko ëpp moo ñooy ñëw mu leen di faj mais dina nekk ay junni yoo xam ne moo leen di faj te loolu mooy réew yi nga xam ne ñooñu gën féete kanam te yooyu la ñu war a roy ngir suñu askan mun a wér tax soo wéree rek nga mun a gudd fan ndax tey suñuy wax ku nekk sa yaakaaru gudd fan ñun ñu ngi ci peut-être juróom benn fukki at ak juróom mais am na ay réew yoo xam ne ñu ngi ci juróom ñett fukki at lan moo ñu fay yóbbu am wér gu yaram bu doy te doo waxi wér gu yaram te amoo médecin amoo infirmier amoo sage femme amoo infirmière amoo tamit infrastructure technologique. ñooñu ñëpp ñu boole ko tey war ko def fête ñuy wane ni nag ci université yi Thiès wax dëgg yàlla bu fekkee njàngale rek la li ñuy wax qualité am na fii dañuy ci góorgóorlu bu baax a baax a baax. waaw secret bi du dara lu dul liggéey rek liggéey ànd ak suñuy kilifa. parce que aussi euh, wax dëgg yàlla euh, état bi mi ngi def lu mu mun am na alal yu bare yu nga xamante ni def nañ ko ci biir université bi boo leen xoolee université bi fii ñu toll nii wax naa ko sànq suma discours euh, li ñuy tabax rek mat na 9 milliards loolu nag ku kuñ ko defal da nga war a góor góorgóorlu bi itam nag dafa fekk aussi ñu sonn ñu ci ànd ceeg ñun ak ñun suñu ministre ànd ak ñun donc loolu yëpp fexe ne ba nga xamante ni daal ñi ngi liggéey ñi ngi avancé yàlla baax na bariwuñu coow nag coow li du bëri waaye soobee yàlla incha allah université de Thiès bi bokk ci université yi nga xam ne ñoo gën a taxaw ñoo gën a rëy ci Sénégal ak ci Afrique. loolu ngeen wax dëgg la bi ñuy tàmbalee fii euh, di mbëbët pour ubbi faculté de médecine bi boobu am na ñu bëri ay dof sax la ñu jàppe woon ñi ñii daal nañ leen bàyyi ñu dem rek ay dof lañu mais boobu ñun Sénégal war na am deuxième fac de médecine faculté de médecine njëriñam du former ay médecins rek mais njëriñam mooy génne spécialistes yi ci dëkk yu mag yi maanaam dakaar fala la ñëpp toog génne leen yóbbu leen ci région yi boo xoolee aujourd'hui ay spécialistes de renommée ñu ngi ci hôpitaux yi nekk cees sept hôpitaux quatre yi nekk Thiès Mbour ci la Tivaouane ci la Diamniadio ci la loolu mooy euh, li ñu li ñu bëggoon a def bu fekkoon ni dañu toog. banque suñu loxo ni état bi day def ba paré ñu ñëw du sotti dañoo jog mu metti lool amuñu fuñu nekk ñu ab salle de cours euh, monsieur Momar Mbaye qui était à l'époque directeur du CNEPS mo abal ñu salle de cours abal ñu amphithéâtre ñu dem commencé première année ñu jox ñu ay bâtiment yu maguette ñu seeti chef d'entreprise yi am na ci ñoo xam ni recevoir ñu dañu yéen li ñu yéen wax ñun xamuñu ko defar fac de médecine jaar di ñaan loolu xamuñu ko ñeneen ñi toog dégluñu dinaa ci wax ku mel madame Ndeye Traoré Coulibaly moo fondation Sonatel Rassane Chemali mooy PDG CDE Loftola Layus moo yore cimenterie du Sahel ADIE ku ñuy wax Cheikh Tidiane Seck moo fa nekkoon directeur monsieur Amadou Kane donc nous bi ñu jàppalee ñu commencé defar bâtiment yi nga xamni bâtiment yu màgget la woon gis ngeen ko yéen xamone ngeen maison familiale rurale ak inspection euh, des écoles inspection médicale biñ ko defaree ba paré ñu euh, ci année boobu deuxième année étudiants yi commencé di ñëw di jang fofu ñu ñu jappalé ñi ngi leen di gërëm di leen sant directeur d'hôpitaux yi aussi ñi ngi leen di gërëm di leen sant parce que ñom def nañu seen wàll donc liggéey nañu bu baax euh, donc ba légui ñëpp xam nañu d'accord nañ ci ni médecins yi ñuy former Thiès ay médecins yu baax lañu kooku kenn werenteetu ko boo demee ndakaar interne 19 internes yi service yi ñu nekk Dakar bu ngeen demee laaj chef de service yi dinañ la ñu benn médecin yu baax lañu deuxièmement am nañu yar loolu la ñëpp di wax mu ngeen ko seetal seen bopp loolu mooy suñu maanaam bëgg nañ ci lool parce que dañ ko doon euh, wut yàlla def ñu am ko. ñaata lañu ci ban diir lañu tàgg. Alors, nous médecine, durom C'est-à-dire que dans les def durom pour next spécialiste. Mais nous, nous ni en octobre, euh, juillet 2008. Nous avons commencé def concours octobre 2008, nous Donc, en octobre 2016, nous avons bouclé 8 ans.

àdduna boo fi nekkee da ngay xeex dara yomb loolu lañ leen wax ay médecin lañu jàngal nañ leen lan mooy leadership leadership du dara du dul nekk jàmbaar buñ la nee lii dafa métti nga song ko loolu mooy leadership nga jéem a ni yow da ngay def pour sa réew nga jóg ni lii jafe na mais man pour suma réew dama koy def loolu mooy leadership leadership boobu mun na nekk leadership nit ki mun na nekk leadership bu ñu bëri cest à bi ñuy ñëw fii ñun groupe la ñu woon ñu dem di daqante di seeti chef d'entreprise yi affaire yu demee noonu loolu mooy leadership de groupe te loolu moo ñu may ñu ñu dikk fii tey nga xam ni cees am na léegi faculté de médecine bu mucc ayib jur euh, ñaar fukki réew yi ak ñeent yi envoyé seen i doom ñu nekk ay bacheliers yi nga xam ne dañ ci am am na ku ma wonee cent quinze ans la am bag réewam ñu koy bindi journaux yëpp

loolu moy résultat yi nga xamni manam li nga xamni man nañ ko woné tey ñi nga xamni jall nañu agrégation juróom lañu kenn daw ñent ren ñent ñoo présenté wu ñent ñoo jall 100% lañu cent la am ñooñu Thiès lañu ñu seen recherche yépp fi lañ leen nommé assistant ñu jàll fi maître assistant avant de passer agrégé Thiès lañu défé yépp jàng nañu def recherche ainsi de suite ba critère u CAMES yi pour désagrégation ñu remplir ko dem concours bi réussir brillamment loolu day wone ni UFR santé caaxaanuñu ñu jàpp ni ñu ngi caaxaan aujourd'hui mën nañ xam ni léegi caaxaan amatu fi lu leer la ñuy def et que ñu ngi ciy sant yàlla yàlla moo ñu ci jàppale. tey nga bokk si ñi nga xam ne sant yàlla jot ngeen seen euh, jeexal njàng bi. Mhm. Euh, bu Thiès. bi fekk mhm. santé 2008 bi ngeen fi ñëw métti woon na. waaw métti woon na comme tey juróom-ñetti at yàlla jàppale leen lan ngay yëg jamono ji. ah euh, kontante rek kontante rek a delluwaat di sant yàlla bu baax parce que tamit yàlla jàppale na ci bu baax. donc métti woon na torop comme ni nga ko waxee woon dara nekk foofu muy côté social bi muy côté pédagogie bi rien n'était réuni mais comme li mu wax rek chance bi am ay professeurs ñu xamanté dañ ko gëmoon tamit ñoo xamone nak ni metti won mais dañ ko gëmoon té tamit dañu metti parce que déjà social bi amone campus social dañu looy won ben kër am na travaux pratiques ñu won labu dañ nañ jël bus deux fois par semaine wala une fois par semaine daf ñuy dem ba Dakar def travaux pratiques ñi bisi wat lolu donc ay 5 h du matin lañ dan yew pour mën espérer yegg Dakar 8 h pour commencer courir à 8 h voilà. Donc, c'était pas du tout facile. Donc, war ko def ñibbisiwaat Thiès le lendemain reprendre cours donc c'était pas du tout facile mais comme les ma wax rek yéen gëm-gëm la persévérance la am tamit ay parents yu lay encourager ay professeurs yu ko gëm di la encouragé tamit. donc waaw euh, juróom-ñetti at déjà xawna bare mais spécialisation la laajal na ñeent ba si juróomi at. beaucoup bëggé bolé bëggee kër gi ak euh, tambalé liggéey mbaa dina yom wa moy li ma wax sank rek comme que dañu am ay professeurs yu jigéen yoo xamanté jaar nañ fa ñom tamit dañu am njaboot ma def spécialisation té jàqalu len dara donc ñun tamit on se dit pourquoi pas parce que ñom ñoy suñu idole té ñun tamit

donc les enseignants chercheurs ainsi que le personnel administratif tous dévoués à la réussite. La santé de nos concitoyens thiessois constitue une priorité pour l'équipe que je dirige. La mairie ville de Thiès a ainsi initié les journées médicales de Thiès qui chemine vers la troisième édition. Un SAMU municipal doté d'un plateau technique de premier ordre est envisagé à court terme, de même que des infrastructures sanitaires avec des partenaires sociaux. Nous contribuons également à la couverture maladie universelle en venant en appui aux mutuelles de santé en vue d'enrôler des milliers de Thiessois dans ce programme de solidarité et de prise en charge. Par ailleurs, nous nous évertuons à soutenir le système éducatif et à encourager nos étudiants en particulier. C'est ainsi que 10 millions de francs de subventions sont accordés aux étudiants tiers des cinq universités. Par ailleurs, 20 millions sont accordés à titre d'aide et de bourse. Je me réjouis de la collaboration excellente avec l'Université de Thiès, qui est devenue un partenaire privilégié. Cette institution a participé au processus d'élaboration du plan de développement de la ville de Thiès et nous songeons mettre en place ensemble des groupes thématiques pour prendre à bras le corps les problématiques et enjeux de développement qui exigent des réponses ou font entrevoir des opportunités au profit des populations. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de tous les étudiants de l'IFS Santé de Thiès en cette cérémonie solennelle de soutenance de thèse de doctorat en médecine de la première promotion de l'IFS Santé de Thiès. Créée en janvier 2007 dans le cadre de la mise en œuvre de la carte universitaire du Sénégal, l'Université de Thiès est un établissement d'enseignement supérieur qui a pour mission principale la diversification de l'offre d'enseignement supérieur au Sénégal et en Afrique. Malgré les conditions difficiles, avec l'éclatement des IFR, l'Université de Thiès est, reste une université scientifique d'excellence. L'IFR Santé de Thiès, qui est la deuxième faculté de médecine au Sénégal, est forte une représentation de 22 nationalités une véritable caricature de l'Afrique en miniature, une représentation qui s'exprime et se vit pleinement dans les campus pédagogiques et sociaux à travers une intégration effective des différentes nationalités présentes dans notre EFR et plus loin dans toute l'université de Thiès. L'évolution a marqué un tournant crucial dans notre histoire récente. Il nous a permis de tracer des sillons prometteurs sur le champ fertile de notre chère IFR dans l'excellence et l'humilité qui votent notre slogan. Permettez-moi de prendre l'exemple de nos chers camarades internes des hôpitaux du Sénégal. Votre réussite à ce prestigieux concours d'internat des hôpitaux a permis de mieux valoriser notre cher IFR. Recevez toutes nos félicitations. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le recteur, Monsieur le directeur, chers jeunes, étudiants de la première promotion, vous avez surmonté huit dures et longues années, de la petite salle du CNEPS à l'ancienne maison familiale, qui abrite aujourd'hui les locaux de l'IFS Santé, en passant par Pécourt et Maison Blanche. Voici une vie riche en histoire. Mesdames, Messieurs, il s'agit pour l'UFR des sciences de la santé de Thiès et pour toute la communauté universitaire de Thiès d'un grand jour. Grand jour qui nous permet d'oublier tous les doutes, toutes les incertitudes, toutes les interrogations que nous avons eues il y a huit ans, il y a sept ans et même hier. Il s'agit d'un jour de fête où l'heure est plutôt au remerciement et je vais me confondre en remerciement. Merci, merci à un homme qui a cru en nous il y a huit ans, au point de vouloir une faculté de médecine dans son université, malgré toutes les contraintes et obstacles de l'époque j'ai nommé le professeur Pape Ibressan, alors recteur de l'université de Thiès. La première promotion ne pouvait trouver meilleur parrain que cet homme très engagé, simple, toujours souriant, avec toujours des solutions. Merci professeur Papi Brassam. Merci au comité de pilotage qui, sous forme d'un groupe cohérent, a voulu réfléchir sur un projet pédagogique innovant, structuré sur un système LMD en médecine, à un moment où de nombreux pays du continent africain en discutent l'opportunité. L'UFR des sciences de la santé est la première faculté de médecine au Sénégal ayant terminé un cycle complet de LMD, mais compte également parmi ses premières facultés africaines avoir pu développer un cycle dans le système LMD. Ce comité de pilotage était composé de deux médecins, les professeurs Mamadou Moutalaka, le professeur Abdul Khan, de deux chirurgiens, les professeurs Abderrahman Dia et moi-même, de deux biologistes, les professeurs Ahmed Yanso et Abdoulaye Sam. À ce groupe s'ajoutait un administratif, que je dis un peu particulier comme vous avez pu le voir, du nom d'Abdoulaye Baou. Merci à l'ensemble de ces collègues qui aujourd'hui voient leur rêve se réaliser. Merci à ceux qui, en premier, ont fait le déplacement sur pièce pour matérialiser les choix du comité de pilotage. Il s'agissait du professeur Mamadou Moutalaka, du professeur Mamadou Bouch, associé à ma personne. Je m'arrêterai un peu sur mon ami et frère de longue date, le professeur Mamadou Moutalaka avec lequel nous avons cheminé pendant toute cette période, avec un engagement sans faille et je dirais parfois démesuré, mais pour la bonne cause. Il a su diriger cette UFR de main de maître et la mettre sur la voie de l'excellence de sa création à octobre 2015. Merci Murtala. Je pense que tu peux avoir la satisfaction de la mission accomplie et bien accomplie, tout en continuant à nous accompagner nous l'avons créée, il nous faut aujourd'hui la consolider et développer vers de nouveaux horizons de l'enseignement, de la recherche et des soins. Euh, je me suis dit que j'ai oublié ce jour que lorsque ces étudiants-là auront leur passionné, Parce que c'était une offense et j'ai dit aux étudiants, le jour où vous aurez votre diplôme, je pardonnerai à ce policier-là. L'autre histoire, c'est quand on voulait arriver, ce n'était pas facile de venir à Thiès parce qu'on avait 4 heures de temps pour venir. Il fallait trouver un logement pour les enseignants de Dakar qui venaient tous les jours dispenser leurs cours et repartir. Alors le directeur m'a dit, on va euh, au niveau de Polytechnique demander un logement. Monsieur le directeur de Polytechnique, petit frère, ne pas te fâcher parce que je vais dire quelque chose, bon, c'est pas grave, on est de la même ville. Alors quand on est arrivé, on a fini de réfectionner le logement c'est Sylvie Gassama, c'est Sylvie Gassama qui devait venir faire le cours. Le professeur Murtala m'a demandé, allons vérifier d'abord le logement. Mais quand il a ouvert, il m'a dit, bah si tu as peur, ne viens pas. Je ne sais, pas, je dois avoir peur. Mais quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai trouvé l'Assemblée générale des rats de, de dans cette chambre-là. Alors j'ai pris la flûte. Alors il me dit, si je n'avais pas vérifié, on aurait tué le professeur Sylvie Gassama et je laisse cette responsabilité-là. Donc c'est là où est née la maison des autres, des enseignants de la santé, parce que je ne pouvais pas supporter le fait de payer tous les jours 25 000 ou 50 000 francs au niveau des hôtels de Thiès. Merci professeur. Les étudiants qui sont arrivés le lendemain, ils étaient 66, on n'avait même pas voulu mettre. Alors j'ai appelé quelqu'un, je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire un bon de 66 par Il me dit, oui, il n'y a pas de problème j'ai appelé Pagna, que je demande de saluer, qui a accepté ces 66 mandats-là, qui a permis à ses étudiants de dormir et par terre. Et on a pris en location la Maison Blanche, n'est-ce pas les étudiants Vous avez toujours en mémoire cette Maison Blanche-là. Monsieur le recteur est arrivé, et il a continué avec nous. Et je viendrai au final avec le ministre, M. Construction. Je ne voudrais pas, monsieur le mathématicien, ou bien le littéraire, le parcours de votre parrain pour avoir été à ses côtés aux premières heures de l'édification de l'université de Thiès. La période passée à ses côtés m'a permis de savoir, concernant l'homme, que dans tout ce qu'il fait, il n'est ni optimiste ni pessimiste. Il n'est ni optimiste ni pessimiste car il affronte la réalité avec sang-froid avec pragmatisme et détermination. Son magistère à la tête de l'université de Thiès aura été celui de l'édification d'une université sénégalaise de nouvelle génération, malgré toutes les contraintes et vicissitudes. L'histoire retiendra de lui qu'il est l'un des plus farouches artisans du rapprochement du monde universitaire et de la société sénégalaise. À Thiès, il a construit d'une part un pont entre les universitaires et le milieu professionnel pour le bonheur des étudiants, étudiantes et alumni. D'autre part, à l'image de l'UFR des sciences de la santé, il a édifié des passerelles permanentes entre les UFR les écoles, les instituts avec leur environnement naturel pour le bonheur des populations. Chers récipiendaires, retenez que ce bâtisseur que je viens de citer, c'est le professeur d'université de classe exceptionnelle, premier recteur de l'université de Chiès, je veux citer le professeur Papa Ibre Né à Sakal en 1954, ça aurait pu être un 15 juillet, c'est pas dans le discours, mais le 15 juillet, c'est réservé à un ministre de la République. Né à Sakal en 1954, dans la région de Louga, au Sénégal, Papa Ibrahim est titulaire d'un doctorat de troisième cycle, obtenu le 5 juin 1985, qui a été complété par un doctorat d'État et sciences naturelles le 6 février 1992 à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta de Dakar. Durant ces travaux de recherche qui ont été conduits à Dakar, puis à Orléans et Grenoble en France, ensuite à Padoue en Italie, et qui ont abouti à ces deux doctorats, professeur Papa Samb a contribué à l'étude de la biologie des phanérogrammes parasites du genre Striga et la recherche d'une méthode de lutte chimique utilisant deux herbicides, flémone mobile, dicamba et glyphosate. Avant de devenir professeur titulaire de classe exceptionnelle, puis recteur de l'Université de Thiès, Professeur Papa Ibrahim a gravi tous les échelons du système éducatif et universitaire sénégalais. Il me revient l'agréable devoir de représenter Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Ao-Maricol V empêché à cette cérémonie historique de sortie de la première promotion de médecins formés en dehors de Dakar. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale m'a chargé de vous faire part de sa fierté et des félicitations qu'elle adresse à la direction et au personnel de l'UFR de Thiès pour les brillants résultats obtenus. Elle se réjouit également de la contribution que les universités, à travers la faculté de médecine et les UFR, apportent au fonctionnement des structures sanitaires. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, la proximité entre les structures sanitaires et la formation médicale explique ce rapprochement quasi spontané entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et celui de la Santé et de l'Action sociale. Comme l'a souligné le directeur, nos structures restent les laboratoires du personnel d'enseignement et de recherche des universités. Le ministère de la Santé se félicite que l'UFR de Thiès ait très tôt intégré cette approche en s'impliquant directement dans les structures hospitalières existantes dans la région. Les résultats démontrent par l'exemple que les universitaires peuvent parfaitement intégrer les structures hospitalières, tout comme les hospitaliers peuvent parfaitement remettre le pied à l'étrier de l'enseignement et devenir des enseignants, chercheurs et même des professeurs.